18h15 à Niamey, l'heure du forum d'Istudio studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Distudio studio Kalangou. Les programmes D'Istudio studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Amfani FM 100 MHz, Kwaratagi FM 99 .9 MHz et Challenge FM 87.6 MHz. Notre page Facebook est Studio Kalangu. Notre site internet www.studiokalangou.org. Le forum de Studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes de ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou s'intéresse à la production du riz hors aménagement. Le Niger est un pays enclavé avec une superficie de 1 267 km2 et un environnement austère marqué par un régime climatique caractérisé par une pluviométrie faible, variable dans le temps et dans l'espace et des températures très élevées qui ont tendance à accentuer son aridité. Face à un tel contexte, l'État nigérien a développé plusieurs stratégies dont notamment l'intérêt accordé à la production du riz hors aménagement. Il est essentiellement produit sur les sols de bas-fonds argileux et riches. Avec nous ce soir pour développer ce sujet, Ide Yakuba, représentant la Direction générale de l'agriculture au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Ide Yakuba, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Wali Bouzoudi Machinkafa, président de l'Organisation pour le développement de l'agriculture et de l'élevage. Bouzou Bouzoudi Machinkafa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Au Niger, le riz constitue la troisième céréale après le mil et le sorgho, tant du point de vue de la superficie que de la production. Avec la flambée du prix des denrées des premières nécessités en Afrique de l'Ouest, la production du riz hors aménagement pourrait constituer une alternative au déficit céréalier que connaît actuellement le Sahel. Aussi, elle se présente comme une alternative face au changement climatique en permettant la création de nombreuses activités génératrices de revenus à travers un entrepreneuriat agricole et des systèmes d'exploitation irrigués. Ide Yakuba de la Direction générale de l'agriculture au ministère de l'agriculture et de l'élevage. Quelles sont les localités du Niger où on peut produire euh, du riz hors aménagement Le riz hors aménagement est produit presque à cas dans toutes les zones où nous avons une pluviométrie supérieure à 350 mm. Autrefois, le riz hors aménagement, c'est au niveau du bord du fleuve et du lac Tchad. Aujourd'hui, partout où nous avons une stagnation de l'eau pendant deux mois, nous pouvons faire du riz hors aménagement. Vous avez la région de Tilaberi, ou particulièrement dans la zone de Walam où le riz est produit en hors aménagement. Il y a la zone de Dosso, tout le sud de Dosso, donc en dehors donc du fleuve Niger. Hein, il y a toute euh, la bande sud de Dosso, particulièrement Falmey, Boboy, Tchibiri, Junju jusqu'à Guichemé. Nous avons dans la région de Tawa, le département de Bagaroua, Bouza et Tawa même dans la région de Maradi, c'est tous les groupes où on produit le riz hors aménagement. La région de Zender, c'est particulièrement le département de Magaria, où vous avez le canton de Bande Ouacha et la limite de Dungas du département de Dungas. Nous avons ce riz qui est cultivé également au niveau de la région de Difa partout, comme je l'ai dit, où on a un petit stock d'eau, nous pouvons produire du riz avec des technologies en tout cas adaptées localement. Euh, si les producteurs sont formés, sont accompagnés, et je pense que nous pouvons produire en tout cas partout au Niger, sauf peut-être la région d'Agadez où il n'y a pas. Là aussi, on cultive le blé, mais partout, je vous dis qu'on peut produire le riz au Niger. Ide Yakuba, avec toutes ces potentialités euh, hydriques dont vous venez là de citer, est-ce que le Niger n'est pas sérieusement en retard Bon, le Niger euh, n'est pas en retard. Bon, on a adopté une stratégie de développement de la riziculture au Niger en 2009 qu'on a révisée en 2015. Et c'est dans ce processus que nous sommes là pour essayer de faire promouvoir le riz au raménagement dans les zone que je viens de citer. Donc avec euh, des ONG, avec des projets, nous sommes en train de travailler là-dessus et nous pensons que si nous pouvons emblaver l'ensemble des zones où nous produisons des 172 000 hectares en culture maraîchère, nous pensons que, qu'avec les rendements actuels que nous avons constatés, nous pouvons réduire drastiquement les importations du riz au Niger. Ide Yakuba de la Direction générale de l'agriculture au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, quelles sont les différentes variétés de riz ici au Niger il y a beaucoup, plusieurs variétés, hein, mais en fonction de l'adaptabilité et de, surtout des besoins des consommateurs, les plus en vue, c'est le Nerika, la Gambiaka. Il y a la D5237, qui est un riz flottant, où on peut cultiver, en tout cas, quelle que soit la hauteur de l'eau, on peut le produire il y a les 8 à 8, 8 à 9, etc. Il y a beaucoup de variétés et il y a des variétés locales aussi. Quelle est la contribution de l'État pour l'amélioration et la mise en œuvre de la production du riz hors aménagement Est-ce qu'il y a une politique agricole dans ce sens il y a une politique agricole en général, mais il y a une stratégie de développement de ce secteur. Je viens de vous dire que nous avons engagé un processus de développement et de promotion de l'agriculture hors aménagement à travers les ONG, à travers certains financements, notamment l'Espagne à travers la FAO et à la FICOPRI qui développe euh, également ce volet où son apport est assez important. Nous avons des privés aussi qui sont en train d'apporter leurs contributions, qui font des aménagements par eux et pour eux pour pouvoir mettre sur le marché des riz produits localement et transformer les produits localement. Je pense que l'État va essayer de soutenir ce processus. En tout cas, nous le soutenons à travers surtout notre approvisionnement en semences de variétés améliorées au niveau de la ferme de Sadia. Malgré ces difficultés, en tout cas, nous pensons que nous allons les soutenir pour fournir aux producteurs des semences de qualité. De par ce que vous venez de dire, il y a plusieurs localités où on peut produire euh, du riz hors aménagement. Est-ce qu'il euh, y aura des semences améliorées disponibles et nécessaires pour couvrir toutes ces localités Il y a des entreprises semencières qui produisent des semences améliorées. Il y a la ferme de Sagia. Nous pensons qu'actuellement, on a près de 200, en tout cas plus de 200 tonnes de semences de riz à la ferme. Et ces semences-là, c'est pour soutenir le riz et avec maîtrise totale de l'eau et en hors aménagement. Je pense que nous avons suffisamment de semences pour euh, contribuer efficacement à la promotion de ces riz. Maintenant, ce que nous ne maîtrisons pas, euh, les besoins des autres opérateurs. Là où nous encadrons, nous avons effectivement leurs besoins. Chaque année, quand on fait des placements, des acquisitions, de ces semences pour que les gens puissent euh, produire sérieusement. Je vous dis que actuellement le, rendement de ce riz-là, ça a passé de 800 kg à 5 à 6 tonnes à l'hectare. Donc vraiment ça, c'est la seule céréale où si nous voulons atteindre l'objectif fin zéro, c'est apporter vraiment un soutien sans faille à la politique de développement du riz orange. Actuellement, je vous dis qu'on a des rendements de 5 à 6 tonnes à l'hectare, comme sur les aménagements hydrographiques. C'est énorme. Ah, c'est très énorme. Mazou Lawalidi Meshinkafa, président de l'Organisation pour le développement de l'agriculture et de l'élevage. Comment votre ONG aborde-t-elle les questions liées à la production du riz hors aménagement au Niger Comme vient de dire euh, mon collègue maintenant, euh, ce qu'il vient de dire, si toutefois l'État qui avait 87 aménagements hydro-agricoles. Maintenant, ceux qui sont fonctionnels, c'est 65. Dans les 65 aussi, c'est pas tout ce qui fonctionne comme euh, ça se doit quoi. Donc euh, le 22 donc euh, ils ont morcelé. Si vous avez suivi deux trois semaines de cela le vendredi surpassé, donc le ministre était parti à Darena pour qu'il puisse se récupérer quoi. Il y a des potions de tête, un aménagement qui a été laissé en jachère et après on a morcelé, ils ont vendu ça et après donc on a constaté ça, on a signalé ça à l'État et l'État, maintenant, en faisant des investigations, ils ont constaté qu'effectivement, euh, il y a 22 aménagements qui ne sont pas rentrés dans leur cadre. Et c'est ça qui a fait que le ministre s'est déplacé pour aller maintenant pour dire à la population, cet aménagement, ça appartient à l'État. Donc, c'est pour des cultures irriguées qui concernent euh, les cultures de riz. Quoi. Donc, euh, revenons à ce que vous venez de demander comme question. Donc, quel apport nous apportons à, la promotion, du, riz promotion du, riz hors aménagement. Il y a trois années de cela, en 2015, donc euh, nous avons eu la chance ici à Yelwani, après Goté, donc c'est Yelwani. Donc il y avait un aménagement cédé. Ils ont laissé ça quoi, donc en euh, jachère depuis des années. Et donc, il y a les chefs de canton de la localité qui a demandé, mais cette ONG qui travaille dans notre localité, est-ce qu'elle ne peut pas prendre ces terres-là pour les aménager Donc, on m'a tenu informé, j'ai dit, automatiquement, c'est une bonne chose. Et il y a combien d'hectares S'il peut nous donner 25 hectares, on n'a qu'à prendre 486 personnes, donc 186 euh, femmes et 300 hommes on n'a qu'à donc faire des, des plans pour qu'on puisse les morceler pour leur octroyer. Quoi. Donc on a fait ces aménagements, on a donné à ces, ces gens-là, ils ont aménagé ça, ils ont produit comme ils viennent de dire là. Donc on a fait une production qui a but donné ses fruits. On estimait que c'est une petite euh, portion puisque les terres étaient laissées en jachère depuis des années. On estimait que c'est une petite partie qu'on doit avoir et on a vu une grande quantité. Donc très rapidement, ils m'ont dit euh, on qu'on a eu beaucoup de production. Qu'est-ce qu'on doit faire J'ai dit, ah, c'est que vous devez faire très rapidement, il faut toucher les riz du Niger. Donc, ils sont partis, ils ont vu, ils ont dit qu'à ah, Yalouani, là, on a commencé à produire. Donc, le directeur de, du RINI, il a dépêché deux camions, ils sont partis, ils ont amener. Donc, c'est maintenant, jusqu'à présent, ça continue, ils produisent, et j'ai appris même il y aussi. Ils ont dit d'attendre euh, que l'eau du fleuve se retire. Ils vont nous donner quelques terres pour qu'on puisse aménager. J'ai dit, bon, que ce soit la même chose, ce qu'on a fait à Yelwani. Vous prenez le même nombre de personnes qui vont essayer d'exploiter ces terres. Donc, ainsi de suite, ce que nous voulons, si l'État et là pour développer les cultures du riz, par exemple, comme on dit que c'est la troisième production. Par exemple, les tonnages que nous importons, si vous voyez par an combien de tonnes, je ne sais pas, mais je sais que c'est plus de 14 milliards de ce que ces commerçants importent. Importation, c'est plus de 14 milliards. En riz seulement, il faut voir. C'est beaucoup, c'est énorme. Si ces sommes-là, on arrive à aménager des grandes superficies dans toutes les régions, comme il l'a dit, nous avons des eaux souterraines et nous avons une technologie. Notre ONG, elle a une technologie innovante qui consiste à exhorer les eaux souterraines. Mazou, Lawali, Bouzou, qui sont vos partenaires en dehors de l'État vous savez, des organismes d'intervention en milieu rural. Les partenariats, c'est en premier lieu, c'est l'État. Il y a les partenaires techniques et financiers, donc les organismes internationaux. Mais on fait appel à ces organismes, nous orientent vers l'État, puisque nous, ce sont des subventions et fonds d'aide extérieure. Et qui les donne, c'est l'État, à travers le ministère du Plan. Donc, par coopération, ils arrivent à avoir ces financements, mais au lieu qu'on nous donne pour qu'on nous encourage à intervenir dans les différentes entités, non, ils font euh, de la politisation. On donne à qui on veut vraiment les rendements produits qu'on voit. Présentement, sur les 66 départements, 43. Il y a 23 qui sont déficitaires. Mazoula Wali euh, dit Meshinkafa, président de l'Organisation pour le développement de l'agriculture et de l'élevage. Vous venez là de parler euh, des techniques. Alors, quelles sont les différentes euh, techniques de production du riz hors aménagement Mais un aménagement, qu'est-ce qu'il faut Il faut essayer d'avoir des motoculteurs. Parce que, par exemple, eux, ils savent. Maintenant, comme il dit les, les sites de Sagia, si vous prenez le site de, de Sagia, ils n'ont pas de motoculteurs. Donc il faut leur donner les moyens, n'est-ce pas, avec les semences aussi. Il faut aménager avec un encadrement. Et ce sont des techniciens. Donc euh, le, paysan qui est là-bas, il faut l'encadrer, il faut lui montrer comment il doit aménager pour avoir, par exemple, il a, il a parlé d'un rendement à l'hectare de 6,5 tonnes. Mais si toutefois, on arrive à sensibiliser ces paysans pour lui dire que vraiment, si tu arrives à aménager ou bien si tu arrives à exploiter tes terres cultivables, tu vas avoir voilà ceci, cela, cela. Donc avec un accompagnement de l'État et aussi les motoculteurs qu'on n'en a pas. Parce que maintenant, ils sont en train de vulgariser une politique pour qu'on en produise assez. Ils viennent de citer trois régions, mais on peut faire autant dans toutes les régions puisque nous avons des eaux souterraines, nous avons l'énergie solaire, nous avons le soleil. Donc, avec les, pompes immergées, c'est ça les, pompes solaires, quoi. Donc, on peut vraiment exhorer ces eaux souterraines. Lui, il sait. La première expérimentation qui a été faite à Filengui, à Tumfalis, là. Mais c'est ça on a exoré les eaux souterraines. C'est ça, c'est les colons qui a fait ça en 1957. Mais c'est la première expérimentation. Et dans ces terres maintenant, c'est là-bas où notre ONG est en train de faire les jardins potagers. On a fait jardin potager, ferme, ferme et culture maraîchère dans ces trucs-là. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut créer des conditions pour aménager des grandes superficies. Tout à l'heure, il a parlé de superficie, mais dans tous les départements. Nous avons 66 départements. Essayez de créer des conditions pour aménager des superficies et exorer les eaux souterraines. Parce qu'il y a une direction générale de l'agriculture. On a tous les techniciens. On a des biotechnologistes. On a des agronomes. Il y a des centres de recherche. Il y a l'INERA, l'Agrimètre, l'ICRISAT, qui sont censés vraiment nous donner des sémences de qualité. Et avec les techniciens que nous avons, heureusement que qui sont de la direction de, de l'agriculture, qui font des planifications, leur conseil, nous serons très utiles. Tout à l'heure, je viens de vous dire que nous avons 14 variétés de riz dans ces pays. Mais ah. ces variétés de riz-là, si on arrive à les exploiter, elles sont adaptables dans nos terres. Hein. Mais pourquoi, pourquoi il faut importer ce que nous importons là Chimiquement, vous ne savez pas les, que, les substances que le, riz là contient. Ce n'est pas des riz de qualité. Les nôtres, il est plus, il est meilleur, c'est de meilleures qualités. Donc vraiment, nous encourageons la Direction générale de l'agriculture qui est en train de, faire des innovations dans ce secteur. Ils n'ont qu'à vraiment mettre les moyens, les paquets, afin que l'ensemble des localités puissent en bénéficier de leur appui. Parce que vraiment, si le ministère ou bien la direction ne s'ingère pas dans ces activités, vraiment, je pense que euh, c'est difficile, quoi. Parce que personne ne viendra de l'extérieur pour nous appuyer. C'est l'État. Et nous remercions votre radio aussi qui appuie nous, en tant qu'agriculteurs ruraux, quoi, les, opérateurs ruraux, parce que vraiment votre conseil et votre voix là, nous soutenons ça fortement parce que c'est pour développer les pays. Vous êtes là et eux aussi, la direction euh, générale de l'agriculture qui est là aussi, c'est pour appuyer le secteur rural. Et nous voulons que cet appui aille directement pour que notre pays puisse se développer. Et de Yacouba de la Direction générale de l'agriculture au ministère de l'agriculture et de l'élevage. Comment faire pour que la production du riz hors aménagement ne dépende plus des aléas climatiques Nous, ce qu'on avait initié, c'est soutenir cette activité à travers des aménagements sommaires. C'est-à-dire que nous avons ce qu'on appelle euh, des forages PVC que nous installons sur tous les sites que nous produisons, enfin nous aidons à produire le riz, nous avons installé des forages PVC avec des réseaux californiens pour que, en cas de rupture de pluie, les producteurs puissent irriguer. Parce que le riz, c'est égal à l'eau. Sans eau, vous n'avez pas de, riz. Maintenant, les zones où c'est par submersion, comme le bord du fleuve, c'est un peu difficile de réguler le niveau, le retrait ou la, les crues des décrues. C'est ça là où on a des difficultés. Mais partout où c'est en zone, euh, dans les bas-fonds à l'intérieur du pays, en tout cas, nous avons pris des dispositions pour que ça ne soit pas sujet à des sécheresses lors de tout son cycle. Donc le riz arrive à maturité et je vous dis que ce riz-là, c'est un riz sans engrais, un riz qui a de très bonne qualité. Et je vous invite d'ailleurs, euh, en tout cas, je si vous avez l'occasion d'aller vers euh, Bouza, allez-y au marché de Carfan. Vous avez un espace qu'on a créé pour vendre le riz produit et transformé localement. Il y a beaucoup de fonctionnaires, en tout cas beaucoup de gens actuellement, ils s'approvisionnent sur ce marché pour leur propre consommation. Ils n'achètent plus le riz importé. C'est vraiment du riz de très bonne qualité. Pourquoi du riz c'est de très bonne qualité Le riz que nous importons, il y a du riz qui peut-être euh, un riz qui a fait 10 ans, 15 ans. Alors que ce riz-là que nous consommons, que ce soit sur des aménagements ou sur un euh, hors aménagement, c'est du riz que nous produisons la même année, transformé la même année. Donc ça garde tout, en tout cas des éléments nutritifs. Je pense que c'est très important. Une importante partie de la production du riz hors aménagement est destinée à l'autoconsommation des agriculteurs. Au Niger, les surfaces mises en valeur sont estimées à 1500 hectares avec des rendements moyens de 3 tonnes par hectare. Ce système est en train de prendre de l'ampleur étant à récupérer les espaces jusque-là occupés par la l'agriculture fluviale faute de précipitations suffisantes. Yakuba de la Direction générale de l'agriculture au ministère de l'agriculture et de l'élevage. Comment faire pour que la production du riz hors aménagement puisse largement dépasser la production du riz avec aménagement Vous prenez la zone de Magaria Difa, c'est une zone où les gens font des échanges avec le Nigeria. Donc, euh, le plus souvent, d'ailleurs, c'est des trocs qu'ils font. Ils partent au Nigeria avec leur sac, leur paddy et ils reviennent avec du mil, du, euh, maïs, du sorgho, etc. Donc euh, vraiment, c'est des échanges assez dynamiques qui se font le long de la frontière, là où ils produisent le riz. Et comme je l'ai dit, le riz, là où, en tout cas, nous intervenons, les gens produisent, ils transforment et ils vendent. Le marché dont je vous ai parlé, de Carfan, c'est un marché où près de 45% de leur production sont destinés la vente. Parce que ce n'est pas tout le monde qui produit le riz, c'est uniquement ceux qui sont sur ces sites-là. Et le marché, c'est un marché international. Donc il y a les gens du Nigeria qui arrivent, les gens de l'intérieur du pays. Et ces gens-là s'approvisionnent en riz de très bonne qualité au niveau de ce marché. Comment faire pour que le riz puisse prendre le pas sur le, riz. Le riz hors aménagement puisse prendre le, pas, sur le riz, euh, avec, aménagement. Je ne dis pas qu'ils vont prendre de pas, mais ils vont se compléter. Parce que c'est deux systèmes qui doivent euh, évoluer pour permettre au Niger de s'autosuffire sur le plan production et sur le plan disponibilité de ce produit-là. Je sais que les aménagements sommaires coûtent moins cher parce que avec 900 000 ou 1 million, vous avez un, hectare aménagé. Mais l'hectare aménagé au niveau de avec maîtrise de l'eau, c'est très très très cher. Donc euh, c'est pour ça que euh, le développement de, ça, euh, de ce système de production de riz hors aménagement peut soulager l'État pour que l'État puisse s'intéresser plus près à la production du riz ou à l'aménagement parce que ça ne coûte pas cher et les techniques peuvent être maîtrisées par les producteurs. J'ai écouté l'autre disait il faut que la direction générale de l'agriculture apporte son, son soutien aux techniques. Effectivement, nous, on ne travaille pas en vase clos. Nous travaillons en relation avec les chercheurs du l'ENA. Il y a un département qui, se charge, qui est chargé uniquement de faire la sélection du riz. C'est avec ce, département que nous déployons nos efforts pour former les producteurs je vous dis, quand on avait commencé l'aventure euh, de ce riz Aménagement sur le projet dont je, je parle tantôt sur, euh, avec le financement de l'Espagne, nous sommes allés juste de la formation des cadres à la formation des producteurs, même avec l'installation des pépinières, de la récolte, des post-récoltes, tout cela, c'est des itinéraires que nous avons eu à dispenser à l'ensemble des maillons de la chaîne. Et je vous dis, effectivement, nous avons constaté, comme j'ai dit qu'il y a certaines ONG qui font aussi le oui. Certains ont réussi, d'autres, en tout cas, n'ont pas réussi parce que tout simplement, il manque de la technicité parce qu'on ne peut pas produire le riz comme ça. C'est pas le riz, c'est vraiment spécifique. C'est une culture assez spécifique, assez spéciale. Il faut de la connaissance. Donc, mais si vous dites que vous allez produire, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais vu le mil, qui veut semer le mil, mais vous mettez beaucoup de, graines, mais ça, ça ne peut pas se développer. Ide Kouba, quels sont les enjeux et les défis liés à la production du riz hors aménagement ici au Niger? Le premier enjeu que je vois, c'est comment faire en sorte que l'ensemble des terres aptes à la production du riz puissent être mises en valeur. Ça, il y a un coût. Ce coût, c'est par rapport aux aménagements sommaires, à l'acquisition des intrants, à la formation des producteurs et surtout à la transformation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, dans beaucoup de localités au Niger, en tout cas sur le riz au raménagement, rares sont les zones où on a des, des adaptées le plus souvent, les gens utilisent les, euh, les, les, là où on met le mille, alors que ça broie. C'est un, petit morceau que ça sort. Donc, il faut aussi de la transformation adaptée. Des batteuses. Des batteuses. Donc, il y a des batteuses, il y a des décortiqueuses où vous enlevez la barre de riz pour rendre ça plus consommable. Le troisième défi, c'est comment est-ce que on peut faire de la communication pour que les gens sachent que dans telle zone, vous pouvez trouver du riz. Parce que sans cette communication, les gens vont toujours chez l'importateur du riz s'approvisionner. Alors que si on a mis un dispositif de communication pour euh, que les gens puissent s'orienter et surtout la qualité du riz, il faut mettre l'accent sur la qualité de notre riz. Le riz importé, je vous disais que c'est un riz stocké pendant 10 ans des gens vivent de stock. Ils produisent cette année, pour, ils enlèvent le riz de, 10 ans pour nous amener. Et dans quelles conditions Des conditions effroyables. Donc tout ça là, moi je pense que c'est des, euh, des enjeux qu'il faut essayer de bâtir pour que nous puissions produire. Moi, je suis convaincu que nous pouvons produire suffisamment de riz sans importer une seule graine. Ide Yakuba, en dehors de la région de Bouza, euh, quelles sont les autres régions pilotes où on a déjà expérimenté la mise en œuvre de la production du riz hors aménagement J'ai dit que c'est dans toutes les régions du Niger, sauf Agadez. Vous pouvez être étonné quand on, dit qu'on a produit le riz à Tanout. À Tanout, à Tagizit, mhm. nous avons introduit le riz. Ces gens-là ne connaissent jamais, ils n'ont jamais vu un plan de riz. Actuellement, les gens en produisent. À Ouacha, c'est extraordinaire. Il y a même un exploitant qui a, comme il a assez de ressources, il, il a aménagé lui-même sur ses profonds 15 hectares. Donc lui, c'est vraiment un grand producteur qui avec un rendement de 5 à... Bon, cette année, il a fait 4 tonnes 5 à l'hectare. Je pense qu'avec euh, notre appui, il peut remonter la pente. Au niveau du Dosso, toute la bande sud jusqu'à Tibiri, il suffit seulement de les former. De les former, de leur donner les moyens. Parce que c'est le riz, de toutes les façons, c'est pas comme les cultures il y à une vente. Le riz, une fois transformé, peut être consommé, que ce soit au Niger ou sur la frontière avec le, le Bénin, le Nigeria, etc. Et je pense que nous avons en tout cas tout intérêt à développer ce riz. Tout intérêt parce que financièrement, nous pouvons supporter des aménagements sur mer et produire suffisamment de riz. Mazula Wali Bouzoudi président de l'Organisation pour le développement de l'agriculture et de l'élevage. Les producteurs du riz hors aménagement peuvent-ils supporter les coûts liés à la production pas du tout, il ne peut pas euh, supporter les coûts liés à la production, puisque je vous dis, il faut l'appui du gouvernement. Tout à l'heure, M. Idé vient de dire que vraiment, on peut produire autant de riz dans toutes les régions. C'est effectivement même euh, à Agadez. Il y a des localités où, dans des vallées du, du on peut en faire euh, riz. puisqu'on en produit déjà le blé. Et si nous voyons, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions soutenir ces paysans. Il faut l'appui, comme je vous dis, l'appui constant. Il y a des centres de recherche, l'inhérent, comme il l'a dit. Toutes les variétés qui sont des variétés de qualité. Il y a 14 variétés qu'on nous a montrées en 2008 euh, au temps de l'ex-premier ministre euh, Seno Omar. Il, était là, lui, il sait ce que, de, quoi je parle. Donc ces variétés, vraiment, si nous arrivons à les produire ici, sincèrement, nous serons dépendants du riz. Ce que nous importons, comme il vient de le dire, ce n'est pas euh, un riz de qualité. Je suis désolé parce qu'on consomme ce que nous voyons seulement, mais on ne sait pas. Et il vient de dire 10 ans, c'est plus de 10 ans. Des fois, même tu vas voir, même au port de Cotonou, ça fait plus de 6 ans. Ces riz-là qu'on on déverse dans des trucs-là, maintenant on met dans les sacs pour nous acheminer ça. Tout ça, là, nous, on a vu, mais ce que nous voulons que l'État en charge la production du riz. Mazula Wali Bouzou, Dime Shinkafa, vous venez là de dire que les producteurs ne peuvent plus supporter les coûts liés à la production du riz hors aménagement. Comment faire pour amener les partenaires du Niger et autres investisseurs nigériens à mieux s'intéresser à la production du riz hors aménagement Comment faire Il y a toujours des politiques qui a toujours des soutiens. Ils sont soutenus par la FAO et les autres organismes internationaux. Tout à l'heure, je viens de vous dire euh, avec l'Espagne, Agence espagnole pour la coopération internationale et le développement. C'est bien cela, non Donc, c'est eux qui soutiennent cette filière riziculture de riziculture. Ils ont financé autant, mais vous voyez sur le terrain, vraiment, on ne voit pas. Pourquoi Parce que il n'y a pas un suivi. Sincèrement, ce que je tiens à dire, il n'y a pas un suivi de la part de l'État tout ce qu'on fait, c'est sur les papiers, mais sur le terrain, effectivement, les aménagements, qu'est-ce qu'ils ont donné Les appuis qu'ils ont donnés. Si vous partez maintenant, il y a un seul motoculteur ici à Kirkisoy. Un seul motoculteur, s'il vous plaît, sur le périmètre-là. Ça ne peut pas aller. Il faut au moins 8 ou, ou 12, 12 motoculteurs sur ces périmètres. Ainsi de suite, les, les, les 5 périmètres qui sont aux alentours de Niamey, Hein. Il faut vraiment des, motoculteurs. Chaque périmètre, donc, il faut vraiment autant de motoculteurs. Parce que si on n'a pas les moyens, on ne peut pas produire comme on veut. Tout à l'heure, il vient de dire, il n'y a pas l'encadrement. C'est eux les techniciens, c'est eux qui sont censés. il y a des biotechnologistes, il y a des agronomes qui sont là. Ils connaissent c'est à eux d'encadrer les pauvres paysans. Les pauvres paysans, on veut qu'ils produisent. Ils vont produire, mais il faut un encadrement. Mais malheureusement, à quoi nous assistons tout, on emmagasine les semences durant, de, on ne sait même pas, qui sait. Comme il dit, il n'y a pas la communication entre la direction et l'exploitant tant qu'on ne t'apprenne pas quelque chose, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas savoir. Mazoula Wali euh, vous qui êtes euh, les représentants des ONG, est-ce que vous collaborez étroitement avec euh, l'État et ses partenaires Très bien. Vous savez, nous, nous sommes régis par des lois et règlements. Et la direction des ONG et associations de développement qui nous a répartis comme au ministère de l'Agriculture, ils savent que nous sommes référencés, c'est eux qui sont en train de... Mais malheureusement, comme on dit, les appuis financiers ne nous parviennent pas. Les subventions et fonds d'aide extérieure. Parce que nous, c'est un régime particulier. Sur l'ensemble du pays, comme je vous l'ai dit, nous avons des terres cultivables suivant notre technologie qui consiste à exorer les eaux souterraines. La DACPOR, comme lui, de la Direction générale de l'agriculture, connaît la DACPOR. C'est elle qui a étudié notre, euh, notre dossier. Elle a confirmé que nous pouvons contribuer au développement rural avec notre technologie. Et c'est suite à, cela qu'on euh, nous a donné l'agrément, l'arrêté pour qu'on puisse euh, intervenir dans les différentes localités. Maintenant, comme je viens de vous le dire, dans toutes les différentes euh, localités, dans les six régions, Tilaberi, Dosso, Tawa, Maradi, Zander et Agadez, on a mis des cultures maraîchères, des jardins potagers et des fermes avicoles. Mais pour la production du riz, c'est ici à Tilaberi seulement. Parce que vous savez, il y a des problèmes, comme il l'a dit les subventions qui ne parviennent pas de l'État, comment on peut exploiter ces genre de trucs On a des initiatives, mais l'accompagnement de l'État nous semble difficile parce que vraiment, vous savez, je vous dis, il y a l'ingérence politicienne. C'est la politique qui s'est ingérée de, façon que nous, maintenant, on ne comprend pas. On est venu, il y a des subventions dans le cadre du PDS e 2012-2015. On a attendu, rien ne nous a été euh, octroyé. Maintenant, on a attendu, on est dedans. La semaine passée, on a montré les productions à Sai, à birnin à a birnin Kwani, à Madarumfa, à Tanut et devant le sultanat d'Agadez. On a montré pour toutes les régions les productions qu'on a faites. Mais Wali oui. Bouzou, est-ce que vous collaborez avec les Troisièmes, les Nigériens nourrissent les Nigériens Quelle collaboration on va faire Les Nigériens qui nourrissent les Nigériens, demande-lui, ils ont des terres cultivables Non, n'ont pas de terres cultivables. Nous qui en avons des terres cultivables, c'est à nous qu'on doit appuyer sur l'ensemble du pays. Ils ont un jardin, je ne vous cache rien. Il y a un problème entre l'État et nous. Parce qu'ils nous ont trouvés avec notre stratégie. Nous avons fait une programmation depuis 2010. Ils sont venus, ils ont vu chaque année, on nous demande, on fait des bilans. Et chaque année, on leur montre nos productions. Tout à l'heure, je vous ai dit, la semaine passée, on a montré les productions pour cette année 2018. On a fait le lancement, et ils ont fait le, le, 2 novembre. Nous, on a fait le 11 novembre. Et on a fait euh, la démonstration de nos produits maraîchers dans les différentes régions. Donc vraiment, il faut qu'il y ait cette collaboration. Nous voulons. Comme il l'a dit, de l'agence espagnole, c'est notre partenaire, mais on nous oriente toujours vers l'État, vers la, direction du plan euh, des ONG et associations de développement. On parle on dit qu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas de financement. On a été au ils nous disent d'aller vers l'État. C'est à l'État qu'on donne par coopération. Mais nous, si on ne nous donne pas, comment on va faire euh, J'arrive en 2014-2015 l'Agence internationale pour le développement, le forums qui s'est tenu à Jakarta. On m'a invité, j'ai été même voir le Premier ministre, je lui ai dit, bon, j'ai eu une invitation, et le ministère du Plan m'a dit que c'est vous qui avez bloqué les, les fonds. Il dit effectivement, j'ai dit bon, maintenant voilà, j'ai eu cette invitation, je voudrais aller au forum d'aide pour le développement. Nous sommes la seule ONG qui a été retenue pour ces forums planétaire. Malheureusement, on nous a refusé. On nous a dit, ah, il n'y a pas les moyens. 1 287 000 pour faire aller-retour. Et je vais amener les matériels immergés pour les, stations de pompage solaire avec des machines euh, qui vont faire les, les forages. Malheureusement, on m'a refusé et c'est ça le problème. Et à Yacouba de la Direction Générale de l'Agriculture au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, tout à l'heure, vous disiez que au niveau du Bouza, on produit du riz hors aménagement et que les producteurs Vanda. Comment éviter le gaspillage de vivre après les récoltes Bon, avant d'aller au gaspillage, moi je pense qu'il faut qu'on redresse l'intervention de notre collègue. Euh, rapidement. Il dit que les producteurs ne supportent pas le coût de mise en œuvre de hors Or, il est en train de le compliquer. Parce que quand on prend l'aménagement, je dis que ça fait 1 milliard et 1 million de francs CFA l'hectare. Maintenant, si on adjoint les motoculteurs, les pompes immergées, en tout cas toute une série, c'est de, la charge supplémentaire. Donc, c'est pour ça que nous, nous avons dit, formons les gens à produire avec ce que les gens disposent localement. Vous avez des forgerons qui fabriquent des, des charrues localement, ça 25 000, 30 000, ils peuvent supporter pour labourer leur sol. Au lieu d'aller importer et un prix qui ne peut pas supporter. Nous, notre politique, c'est de faire en sorte que, avec le peu de moins produire mieux. Donc c'est ça. Maintenant, les autres développements qu'ils viennent de faire, là, ce n'est pas le lieu ici. Moi, je suis venu par rapport au riz au aménagement. Quand le truc du gaspillage du vivre après. le gaspillage, moi, je ne pense pas que en matière de riz hors aménagement, les gens font du gaspillage. C'est la seule céréale où vous avez l'ensemble des éléments constructifs qui sont utilisés. Vous avez la paille qui est traitée, donnée aux animaux. Vous avez le paddy qui est transformé en sortant du sang et on donne aux animaux, aux petits ruminants, les autres, la paille c'est les gros ruminants. Et il y a toute une série d'utilisations qu'on fait de ce riz-là. Le riz, il n'y a pas une partie qui est jetable, ce n'est pas la, la, racine qui est dans le sol. Donc, tu ne vois pas de, il n'y a pas de gaspillage. Maintenant, ce qu'il faut peut-être dire, comment est-ce qu'il faut améliorer l'offre au niveau du consommateur. C'est à travers la transformation, j'ai dit qu'il faut des machines qui vont transformer le riz sans une grande quantité de brisure parce que les gens, comme ils sont habitués au riz importés qui ont des grains longs, il faut que nous arrivions à avoir des machines qui puissent faire cette transformation. Il avait dit 14 milliards. Ce n'est pas 14 milliards qu'on fait l'importation du riz. Chaque année, le Niger, en tout cas les Nigériens, dépensent environ 94 milliards pour importer le riz pourri. C'est énorme. C'est énorme. Mais avec l'effort conjugué des populations, de l'État, des, autres partenaires ONG et compagnie, je pense que nous pouvons lever le défi. La seule chose que aussi il faut faire, je pense que c'est à votre endroit et que ça revient, c'est vraiment informer les gens que un projet, c'est pas pour l'État. Un projet, ce n'est pas pour une direction générale. Un projet, c'est pour les populations. Donc, il ne faut pas que quand on amène de, de, l'équipement et des choses, les gens pensent que non, c'est pour le projet. Non, c'est pour eux. Mazula Wali Bouzou, au vu des potentialités dont regorge euh, notre pays en matière euh, de la vulgarisation de la mise en œuvre de la production du riz hors aménagement, y a-t-il euh, des raisons d'espérer Oui, il y a effectivement des raisons d'espérer. Comme tout à l'heure, il vient de le dire à Tabo Takit, la, Il y a Tabo Takit, il y a Deoulé, il y a Tama. Toutes ces localités, on peut en produire autant. Comme déjà, ils ont ouvert un marché pour la vente des séries euh, locales euh, donc euh, à Carofan. Donc on peut faire l'extension pour que on puisse inciter les autres localités que je viens de citer afin qu'elles en produisent. Et nous nous soutenons cette politique de la direction générale de l'agriculture parce que si l'État ne s'ingère pas dans ce genre d'activité, c'est pas quelqu'un qui va venir le faire à notre place. Et comme il l'a dit en tant que technicien de la direction de l'agriculture, donc euh, si on arrive à avoir ces, semences, Vraiment, on peut en produire autant, mais il faut une sensibilisation, comme il faut une communication pour que la population sache que vraiment euh, c'est dans son intérêt. Tout à l'heure, il, vient de me corriger parce que moi j'avais dit 14 milliards euh, alors que c'est 10 fois 94 hein. milliards. Donc ça, c'est énorme. Donc il faut vraiment qu'on s'investisse, que l'ensemble de la population s'investisse dans la production parce qu'on a beaucoup de potentialités. On a beaucoup de terres euh, agricoles. Il y a la démographie aussi qui n'attend pas. Oui. Bon, je pense qu'on allait conclure quand même. Oui, allez-y. Moi, je pense que. Moi, je, fais un appel aux ONG et aux bénéficiaires. Les ONG, il y a des services de l'État qui sont à leur disposition. Même s'ils n'ont pas de technique, euh, de techniciens, ils peuvent faire appel aux structures, euh, la DGA, l'INRAN, pour pouvoir les accompagner. S'ils ont leurs ressources, qu'ils accompagnent. Moi, je sais qu'on a accompagné SOSA, à Mm. dans le cadre de la production du riz. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir pour que nous puissions travailler ensemble. Le problème que nous avons, nous avons un problème de données statistiques. Chacun fait de son côté. On n'arrive pas à mieux, coordonner pour avoir des statistiques. Parce qu'aujourd'hui, on dit, personne ne peut vous dire combien on, on cultive. Peut-être c'est des estimations, réellement. Et je pense que, malheureusement, le, le, temps était très court pour pouvoir développer ce, thème important. Et je demande le studio, Kalangu. de voir quelle est la place qu'il peut donner pour que nous puissions rentrer de fond en comble. Parce que je vous assure que, je l'ai dit au début, c'est le seul moyen pour que le Niger puisse atteindre la, euh, la fin zéro en 2021 si on, on, donne les moyens pour que nous puissions ensemble, les différents acteurs puissent travailler sur le, sur le management, on peut atteindre la fin zéro. Voilà, on peut attendre la fin zéro et nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Ide Yakuba, représentant la direction générale de l'agriculture au ministère de l'agriculture et de l'élevage. Nous étions également avec euh, Mazoulawali Bouzoudi Maïchinkafa, président de l'organisation pour le développement de l'agriculture et de l'élevage. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 34 Radio partenaires. Merci, au revoir.